Mes téléspectateurs de la RTS2, bienvenue dans votre toute nouvelle émission artistique. Artistique qui se veut être la vitrine de la musique et de toute autre forme d'art. Alors, nous avons choisi la ville de Saint-Louis pour euh, démarrer ce tout premier numéro de votre émission artistique. Et nous avons choisi donc comme prétexte justement le festival Métisson. Métisson, un festival qui réunit chaque année des musiciens euh, venus d'horizons assez différents. Alors justement, je m'en vais rejoindre l'organisateur de ce festival. Il s'appelle euh, tout simplement Jean-Michel euh, Smith. Alors justement, je ne savais pas que Jean-Michel euh, jouait de la musique, notamment du piano. bonjour Jean-Michel. Bonjour Michael. Alors, je ne savais pas que tu jouais d'un instrument. Je joue mal, un peu de tout, mais je joue mal de tout, mais je joue un peu. J'ai été musicien sans talent, et c'est peut-être ça aussi qui m'a donné ensuite l'envie d'organiser. Alors lui, c'est Jean-Michel Schmitt, c'est l'organisateur de ce festival Métisson. Et comme je vous le disais à l'entame de cette émission, nous avons choisi cette belle ville de Saint-Louis pour réaliser euh, euh, ce tout premier numéro de votre émission artistique. Alors, Jean-Michel, revenons un peu sur le festival Métisson. Euh, comment ça s'est passé Vous êtes parti de quoi De quel constat pour organiser ce festival le, festival, il est parti, donc il y a 10 ans aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on est parti il y a 10 ans. Euh, ça s'est fait à l'initiative, en fait, euh, des hôteliers euh, de la ville de Saint-Louis, qui avaient fait le constat qu'il n'y avait aucun événement en début de saison touristique, et on avait décidé d'organiser un événement. Et donc, c'est parti de, cela au départ. Euh, et cet événement, ensuite, euh, il s'est tourné vers la musique. On sait qu'on a le festival de jazz ici, qui est notre grand frère, et qui finit la saison touristique. Métisson la débute. Alors, le choix du titre Métisson, alors, le, choix, parce qu'effectivement, c'est un festival de rencontres. Euh, Saint-Louis a aussi une grande tradition de métissage, c'est un, carrefour, euh, Saint-Louis. Et donc, on a voulu, à l'intérieur de, cette programmation, ne se donner aucune limite euh, et aller pouvoir faire découvrir et aux populations saint-louisiennes et aussi aux gens qui viennent de l'extérieur, parce que je le répète, c'est un festival qui est fait aussi pour attirer les gens à Saint-Louis euh, et leur faire découvrir des musiques qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude d'entendre et d'écouter. Alors justement, euh, en 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé alors, il s'est passé beaucoup de choses. Ce serait, il faudrait euh, pas une seule émission pour, euh, pour la raconter. Il, en faudrait des, dizaines. Il s'est passé beaucoup de choses et on est assez fiers de, ce qu'on a fait parce qu'on a été d'abord des découvreurs de pépites. Euh, on s'est toujours attaché à aller chercher les artistes qui étaient émergents. on peut parler de Maïna, on peut parler de Rafa, on peut parler aussi d'autres artistes qui ont, qui, sont, qui ont grandi avec le festival, qui ont grandi avec le festival. Et aussi, on a, été aussi, on a eu des artistes aussi de renom, comme Jimmy Bay, comme euh, euh Sissoko, avec euh, le très regretté Abib Faye. Euh, on a eu Marema. on D'ailleurs, Marema, qu'on avait programmé juste avant son Grand Prix RFI, elle était tête d'affiche et elle a, elle a, reçu son Grand Prix RFI une semaine après être passée sur Métisson. Donc, ce serait long. Il y a eu beaucoup d'aventures, beaucoup de choses. C'est un festival, c'est une aventure, c'est des déceptions. c'est aussi des encouragements. mais c'est vrai que c'est un festival qui n'aurait pas pu avoir lieu euh, sans la compréhension des artistes. Que souvent les artistes sont venus ici euh, avec l'envie de venir jouer à Saint-Louis. C'était le cas d'ailleurs, je, l'ai dit tout à l'heure, de Abel Soko et bifay qui ont vraiment voulu jouer euh, à Saint-Louis et qui sont venus à des conditions peut-être qu'on aurait qu'on pouvait se permettre. Et s'ils n'avaient pas fait ces efforts-là, on n'aurait pas pu, bien sûr, se les offrir. Alors, en 10 ans, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce festival-là euh, bah, c'est ces aventures humaines en fait, hein. c'est ces rencontres, euh, c'est des gens qui viennent d'horizons euh, complètement extérieurs, qui vont se rencontrer, qui vont se retrouver sur scène. donc c'est des grands moments musicaux, c'est des grands moments musicaux et en, et, en même temps c'est une convivialité. le festival se passe dans les petits lieux, donc il y, a aussi une proximité avec le public. Il y a une grande proximité avec le public. Les, les musiciens vont d'un lieu à un autre, se rencontrent. Donc c'est ça, c'est ces rencontres contre là Il, y en a tellement que c'est un peu difficile de donner des, exemples parce qu'il y en a tellement. Mais c'est ça, c'est cette chaleur humaine, on va dire, euh, que, le festival a su euh, créer, cette alchimie qui a, pris, on ne sait pas pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer pourquoi, cette alchimie qui a, et qu'on veut continuer à avoir cet esprit-là, vraiment avoir cet esprit-là. Les jeunes artistes qui rencontrent les artistes plus, euh, je dirais, plus renommés, plus, qui, ont plus d'expérience, et ces échanges-là, c'est vraiment ça. Et aussi avec le public, bien sûr. Voilà, Jean-Michel Schmitt, donc l'organisateur de ces festivals Métisson, pour lequel nous sommes ici. Et euh, nous en profitons, hein, comme je vous le disais tantôt, pour euh, réaliser notre, euh, le tout premier numéro de cette émission donc, artistique. Alors justement, pour ambiancer cette émission, nous aurons sur ce plateau de grands noms de la musique sénégalaise et africaine, l'orchestre Baobab qu'on ne présente plus. Nous aurons donc Soleiman Faye, nous aurons Rafa, nous avons également beaucoup d'autres artistes hein, qui sont là et qui vont euh, justement ambiancer encore une fois cette émission artistique. Mais avant cela, je m'en vais vous proposer un clip, euh, une belle chanson, n'est-ce pas, d'un jeune et talentueux artiste-chanteur saint-lusien. Il s'appelle euh, Ndari, Ndari Diouf. Alors, c'est un extrait de son tout prochain album, tout nouveau. Alors, c'est le titre Goody. xaaju guddi mu mel ni yaay dafa lëndëm te gisuma xamuma lu ma teree dem te yëguma gisuma lu ma tee dem lëndëm gee ma sonal sonal

ma sonal fu ma dem li ma war a def laa deful de yàlla xam naa ni ko man dama réere woon ngir ni guddi ko ca du jëkk rek li mu tëlee ma bu ne woon na ma soo dee génn guddi nañu li ma yu ndax guddi daa am ko moom soo dee seetlu guddi ci Retour sur ce plateau de votre émission artistique. Alors j'espère que vous avez apprécié euh, ce très joli clip, cette belle chanson Goody, et eh bien de Ndari Diouf, euh, ce jeune garçon plein de talent, originaire donc euh, de la région de Saint-Louis. Alors donc ici dans cette émission artistique, nous recevons à présent, je vous l'annonçais tantôt, donc euh, deux grands noms de la musique euh, africaine, euh, notamment de l'orchestre Baobab. Il s'agit donc de Muntaga Kouate, de Bala, de Tcherno Kouate plutôt, et donc de Bala Sidibé. donc l'orchestre Baobab, un orchestre mythique. donc venez participer à ce festival Métisson. Alors moi, la première question, c'est justement le retour de l'orchestre Baobab sur la scène internationale. Comment ça s'est passé Je crois que tout est venu de moi. Hein. Avec Nigold avec euh, l'appui de Yusundur. C'est Yusundur qui, qui était toujours en, Europe. Il a rencontré Nigol. Nigol lui a dit J'aime un orchestre qui s'appelle le Baobab. Mais Yusundur lui a dit Mais ce sont mes grands frères. Alors le, contact est venu comme ça. Youssou m'a appelé, il m'a parlé de, de Nigol. Bon, le contact est venu comme ça. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, sinon ça va être trop long. Mais finalement, pendant trois ans, on a discuté avec Nick. Finalement, on est rentré là en, Et donc, depuis lors, euh, l'orchestre Baobab sillonne encore une fois les, scènes du monde. Hein. Oui, oui, on a fait le tour du monde. On vient de, de, quitter Israël tout dernièrement. Israël Et Angleterre. Alors, comment ça s'est passé en Israël Comment est-ce que le public israélien a réagi par rapport... Mais si euh, tu vois les, Juifs danser la musique du Baobab, ils, nous ont cherché pendant trois ans. Ils ne peuvent pas avoir le Baobab. Alors cette année, ils ont eu le Baobab. Il y avait 800 personnes, 800 qui, qui ont leur billet. Certains ne peuvent même pas rentrer là-dedans, dans un grand château. Si tu vois les juifs danser la musique du Babab, tu lui dis c'est pas possible. Hmm. Alors justement, la formation du Babab a changé. Est-ce qu'il y a eu de, nouvelles recrues Est-ce que oui, oui, il y, a des, il y a des jeunes parce que nous on pas continuer toujours à toujours euh, comme Il y a des jeunes, il y a le fils de Gagné, il y a un autre euh, garçon qui est avec nous, il y a un soliste béninois qui a 24 ans. Hein, qui a remplacé Atisso. Il y a d'autres personnes qui sont là. Bon, ah, quand tu viens, ça, se passe très bien. Et Tierno est là pour euh, diriger les jeunes. Hein. il est là pour coordonner. Hein. quand il me dit grand, je dis, mais vas-y. Alors justement, nous reviendrons justement euh, sur l'organisation. L'organisation, comment est-ce que s'organise justement l'orchestre Baobab Alors, est-ce qu'on peut dire que le Baobab euh, est en train de vivre une nouvelle jeunesse déjà, euh, on essaie de, rejouer une autre musique, c'est-à-dire en restant quand même Baobab. Nous avons des recrues de jeunes, le fils de, Ndjouga, comme il vient de dire, Bala, euh, euh, Alpha René Sowatch, qui est béninois, qui, a les touches comme les touches de Barthélemy Atisso. Et puis, il y a un chanteur, il s'appelle Freestyle. D'accord c'est un jeune. voilà, c'est un jeune aussi. il, il, essaie de, de, jouer les, euh, les, lignes de. Enfin, il reprend les partitions. Les partitions de, Rudy Gomis. Gomis. Et ça se passe très bien, quoi, en ce moment. D'accord. Mhm. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force, justement, du groupe euh, Baobab euh, En regardant jouer, on sent une certaine joie de vivre. Oui, parce que c'est l'expérience aussi. C'est l'expérience. Et puis, bon, vous savez, on a, on a une musique qui, euh, qui ressemble à toutes sortes de musique, quoi, en fait. On n'est pas figé sur un truc, on essaie de toucher à tout. En Afrique, en Europe, dans le jazz et partout, quoi. Ça, fait, ça amène une couleur qui fait que, bon, c'est ça le baobab. Alors justement, comment est-ce qu'on peut catégoriser aujourd'hui la musique du baobab Parce qu'à l'époque, on savait déjà que quand on parle de baobab, ben, c'est la musique cubaine, c'est la salsa, c'est la salsa bala. Oui, euh, euh, au début, c'était ça. En 70, c'était ça, c'était la salsa. Mais on s'est dit qu'il ne faut pas s'arrêter seulement à la salsa. On a nos réalités ici au Sénégal, mhm. il faut les exploiter. Donc, Pour cela, on a introduit Limbo qui faisait chanter Olof. Moi, je chante en mandingue. Rudy Gomes chante en portugais, qui est africain. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas, ne pas, faire, ne pas faire de la world musique Ce n'est pas seulement. Des fois, on, joue toute une soirée sans, sans jouer la salsa et les gens apprécient. Je crois que c'est ça qui veut un peu la force du Baobab. Alors on peut dire que Baobab a toujours été un groupe euh, aux influences musicales très métissées. Oui, sûrement, oui, effectivement. Voilà donc amis téléspectateurs, euh, donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons donc euh, ces vétérans de la musique sénégalaise, africaine, donc Tierno Kouate, Bala Sidibé, vous venez participer à cette émission artistique. Alors, qui fait quoi aujourd'hui au sein du groupe euh, Baobab Qui fait quoi Comment est-ce que vous organisez au sein, euh, n'est-ce pas, de ce groupe euh, Baobab Vous savez, lorsqu'on est revenu, bon, on s'est dit qu'il faut partager les choses. Moi, je suis le doyen. Mhm. Je suis le doyen, chanteur et tout. J'ai dit à Kierno, un jeune frère à moi, que j'aime bien, que j'ai confiance. Il dit, je te confie tout. Même les gens me contactent, je, lui donne son numéro. Je lui donne son numéro, je lui dis parlez avec Yorn. Mhm. Parce que je ne veux pas euh, de division comme ça. Alors il assume vraiment son rôle. Mais il assume vraiment son rôle et j'ai confiance en lui. Je suis le chanteur principal. Des fois, c'est moi qui chante tous les morceaux. on le CD passé, 11 morceaux, c'est moi qui ai chanté pendant 20 jours. Il n'y a que moi seul qui ai chanté. Mais lui, c'est le coordinateur de tout. Même moi, j'ai fait des choses, il m'a dit, non, grand, on fait ça, on fait ça. Je lui dit, ok, on y va. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de projet quand on parle de, de l'orchestre Baobab Voilà. Oui. Euh, euh, euh, bien sûr qu'on va, on a un projet très important. C'est, ce sont les 50 ans du Baobab. Les 50 ans du Baobab. Les 50 ans On va bientôt organiser, peut-être l'année prochaine. Ce n'est pas très facile. <clears throat> on va y aller vraiment pas à pas, mhm. en coordination avec euh, le manager et la maison de disque D'accord. Et j'espère qu'en 2020, ça se réalisera, Inch'Allah. Alors, comité des spectateurs, vous l'avez entendu, euh, l'orchestre Baobab qui s'apprête à fêter ses 50 ans, euh, donc en apothéose ici au Sénégal. Alors justement, nous allons les retrouver sur scène, sur la scène du festival Métisson. Baobab, on regarde. que vous êtes là. L'oreille, tout le monde. Merci beaucoup. Pendant amis téléspectateurs, vous l'avez vu, hein, donc euh, un super concert de l'Orchestre Baobab. C'est toujours un plaisir de regarder jouer ces vétérans de la musique euh, sénégalaise africaine. Euh, et voilà, nous allons donc retrouver et eh bien, un autre symbole. C'est un symbole, je le disais donc, lors de sa prestation, Suleiman Faye, véritablement un symbole, un symbole à l'image du lion, à l'image du baobab, à l'image du ataya que l'on boit euh, chaque fois après avoir mangé, à l'image du carapide Je veux dire que quand on parle du, Sénégal, on pense Suleiman Faye. Il fait partie, n'est-ce pas, de ces symboles. Suleiman, euh, merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission artistique. Alors, Suleiman, euh, peut-être nous dire un peu comment ça se comment se porte la carrière de Suleiman Faye aujourd'hui. de pas, en pas quoi. De pas en pas quoi. Donc euh, en prenant de l'âge, euh, on va doucement mais sûrement. Donc euh, je travaille toujours dans les, dans les restaurants, Globe Jazz, tout ça là. Et je prépare un, nouvel album, Hip Hop. Ok. Hip hop. Oui, hip hop. Mais justement, pourquoi le choix du hip hop parce que On n'a jamais connu Suleiman Faye dans ce, dans ce registre-là. Parce que c'est une musique que j'ai connue depuis l'Amérique. Hein. Ah oui. Donc j'étais au Bronx. ok là où est né le rap. Donc, euh, mais j'ai jamais voulu mettre dedans. Mais j'ai toujours écouté, j'écoute attentivement cette musique. Et euh, arrivé au Sénégal, il y a souvent les rappeurs qui viennent me solliciter pour faire un featuring, grand morceau, voilà, je sentir quoi. Et j'ai pris le virus comme ça là. Et que je commence à écouter le rap, le rap. Et je sortis, je veux sortir un album hip-hop cette année. Euh, ou, ou l'année prochaine, parce qu'on est prêt la musique est prête, les textes sont prêts. Il Il reste que mettre les voix, quoi. Euh, euh, Alors, justement, dans cet euh, album-là, il y aura des collaborations ou c'est tous les Sûrement, tout, sûrement. sûrement, il je vais inviter Awadi, Carlodi, Degegi, euh, Fumolat, Niagas, tout le monde est là, tout le monde veut le faire, quoi. Donc, je vais, je vais c'est ouvert, quoi. C'est ouvert. Alors, comme je le disais tantôt, mm. pour l'orchestre Baobab, c'est une nouvelle jeunesse pour Suleiman Faye. Oui, oui, parce que, euh, enfin, c'est bien de jouer avec des musiciens plus jeunes que toi, des fois. C'est plus frais, ils ont beaucoup de choses à montrer, à prouver. Donc il y a beaucoup d'énergie, quoi. Donc euh, ça me, ça me fait du bien de jouer avec des gens qui sont un peu plus jeunes que moi. Mhm. Mhm. Mhm. Alors, Suleiman, euh, tu as à tes côtés Rama. Rama, donc du groupe Rafa. Ah, on connaît le groupe Rafa, hein, qui est un excellent groupe de femmes n'est-ce mhm. pas, Saint-Louisienne, mhm. euh, donc, euh, qui a fait les plateaux de Saint-Louis, de Dakar, euh, qui a fait les plateaux donc, internationaux, hein. donc elles ont eu à voyager. Mariama qui a eu à faire les cœurs pour toi mhm. dans, ta, dans, tes prestations. Mariama, peut-être nous dire un peu, nous parler d'abord de Rafa, hein. nous parler de Rafa, et ensuite nous dire un peu le ressenti. le ressenti, le fait de jouer avec Suleiman Faye, le fait de participer, n'est-ce pas, euh, dans, ses prestations. C'est comment Déjà, c'est un grand honneur pour moi de faire ses cœurs. Euh, c'est vraiment papa que j'ai toujours aimé, que, que, mes parents adoraient et que j'adore moi aussi. Donc c'est toujours un plaisir de partager euh, la scène avec, avec lui. Mhm. Alors, et le groupe Rafa Le groupe Rafa existe encore. C'est ça que les gens doivent savoir. On a juste, voilà, chacun a, je sais pas, même si c'est un groupe, chacun de nous a son choix personnel. Donc euh, c'est pour ça on s'est dit, euh, à part le groupe, on va faire chacune hein, sa carrière solo. On s'est dit ça, on est, d'accord euh, sur ce coup-là, elle et moi. Donc voilà, si par exemple je suis pas disponible, je peux faire ma carrière solo et elle paraît. Mhm. Donc c'est juste ça, mais le, groupe Rafa existe encore. Alors Rafa, vous, vous évoluez toujours en duo, en trio en duo. En duo mm. Voilà. Alors rappelez tout simplement à mes téléspectateurs que Rafa est un groupe, euh, n'est-ce pas, euh, euh, de, femmes, hein, un groupe féminin. donc elles sont Saint-Lusiennes. Elles font donc dans la soul, dans le hip-hop, elles font dans le rhythm and blues, elles font dans le l'afro-pop. Donc c'est toujours ce, ces styles-là qui continuent avec Rafa Exact. Même, euh, même pour notre carrière solo, c'est pareil. On garde le même euh, <laughs> concept. On fait euh, world music. Ok. Voilà, donc, amis téléspectateurs, vous aurez certainement l'occasion de découvrir le groupe Rafa. Alors, je me tourne encore une fois vers Suleiman Faye. Mhm. Alors, Suleiman Faye, on l'a connu dans un style assez varié. On mhm. sait que Suleiman Faye a commencé par la variété musicale. Mhm. Est-ce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Suleiman Faye nous propose euh, des titres toujours aussi originaux. Hein. Oui, parce que euh, la variété m'a beaucoup apporté. Parce que, euh, au fait, nous, on a appris la musique en, imitant des chanteurs. On a appris à chanter en imitant des chanteurs. Chanteurs français, anglais, espagnol, américain. Même, sans parler l'anglais, on, chantait en anglais. D'accord. Donc, ça m'a beaucoup apporté. en fait, j'aime bien une musique qui vient d'ailleurs, quoi. Et, et j'ai mes, textes et mes harmonies là-dessus. Mais c'est toujours une musique qui vient d'ailleurs. Blues, jazz, rock, funky, reggae, tout ça là. Et ça m'aide beaucoup. Hmm. Alors, on a remarqué que lors de votre prestation hmm. euh, sur la scène du Métisson, vous étiez accompagné hmm. quelque part par des, jeunes musiciens. Oui, oui. Euh, c'est le musicien de Rafa. Bon, c'est des bons musiciens, très talentueux. On n'a pas répété beaucoup, mais on a fait une belle prestation. Je suis très, content de les connaître. Mhm. Et euh, à l'avenir, je, crois qu'on va faire des choses ensemble avec euh, ma fille Rama. Alors, est-ce qu'il faut, est faut, nécessairement maintenant faire avec la nouvelle génération de musiciens Je crois que c'est important. Je crois que c'est important de, faire, de mélanger un peu. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes bons musiciens au fait, qui, n'ont pas de groupe. Mhm. Excellents musiciens qui n'ont pas de groupe. Il y en a beaucoup actuellement au Sénégal. Mhm. Donc, je crois que c'est bien pour l'avenir de collaborer avec des jeunes pour amener un peu de fraîcheur dans ce que je fais. quoi. C'est très bon. Mhm. Alors justement, quel conseil donnez-vous euh, aujourd'hui euh, à cette nouvelle génération de la musique hein? euh, Je crois qu'ils ne travaillent pas assez. Souvent, on s'enfermait pendant des mois à faire des recherches, mhm. faire des ateliers musicaux, tout ça là. Ils ont tendance à négliger ça maintenant. Le manque de créativité aussi Oui, manque de créativité. Parce qu'avant, au fait, les musiciens se mariaient tard. <laughs> ça, ça a créé un problème. Uh-huh. <laughs> Maintenant, ils se marient très tôt, ils ont des enfants. Donc, euh, leur souci, c'est de trouver à manger pour la, pour la maison, plutôt que d'aller répéter. Quoi. Pardon, <laughs> Donc, euh, ils ont beaucoup de soucis de famille. Tu vois, très jeune, tu es marié, tu as des enfants, payer le loyer, l'électricité, l'eau. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la musique ne nourrit plus son homme. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est difficile. C'est très difficile. Mais il faut, il faut se battre. Il faut continuer à croire et se battre, quoi, qu'un jour, ça va aller. Mm-hmm. Alors, Rafa, qui fait partie de cette nouvelle génération de la musique au Sénégal, euh, alors moi, euh, c'est la question contraire. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous pensez qu'il faut faire nécessairement avec la vieille garde, mm. les anciens musiciens mm. oui. oui. pour moi, c'est de l'expérience. Ça nous permet de, de, savoir beaucoup plus de choses. franchement, ça nous permet d'apprendre des choses aussi, surtout avec, avec des musiciens comme Suleiman Faye. Donc oui, il faut le faire. Euh, Exactement. Mm, mm, mm. Est-ce qu'il vous arrive de reprendre justement les morceaux euh, d'artistes comme Suleiman Faye, comme Ismaël Lo, comme d'autres grands musiciens sénégalais Oasis, euh, Suleiman Faye, Youssou Nour. Ouais. On fait pas mal de reprises Chirlo. Oui, on fait pas mal de reprises. Voilà. Voilà, donc, amis téléspectateurs, vous l'aurez certainement compris, nous avons confronté euh, l'ancienne génération, la nouvelle génération à travers Suleiman Fay et Rafa euh, sur ce plateau euh, de votre émission artistique. Alors on regarde Darling, go fly, cannot cry. Get to love. Voilà mes téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié, n'est-ce pas, toujours dans le cadre euh, de ce festival Métisson et dans euh, euh, ce premier numéro de votre émission artistique. En marge de ce festival Métisson, nous sommes rendus à la galerie Siki. On a eu droit à une exposition assez particulière et signée l'artiste d'art contemporain Che Marchesi. explication. Le projet de transracialisme, c'est un projet qui parle eh, de la qualité de la humanité eh, sur la peau. Eh, ce projet est né ici au Sénégal de l'observation de la volonté de les jeunes de bleue et les autres. j'ai vu que les clients blancs qui viennent ici pour, pour se bronzer dans la plage obsessivement, mais aussi j'apprends que les femmes sénégalaises et se fait la clarification de la peau. Alors avec ce concept, euh, j'ai décidé euh, commence euh, avec euh, un biologiste, un projet et qui parlait de cette volonté, le transracialisme. Parce que c'est ça. Et on a fait une expérimentation, ce n'est pas une exposition collective, c'est une exposition collaborative. Alors je la demande qu'il travaille sur le thème et il a fait une œuvre spécifique pour cette exposition ou il a trouvé une œuvre dans son travail qui se peut concrétiser dans ce concept. Les métissons, et ce qui parle de, la transversalité, de, la mélange, l'objet de ce projet. C'est le, le, meilleur moment pour montrer ça, c'est un festival comme les métissons, le transversalisme et les métissons. Et eh, ce projet eh, a été exposé à la Biennale de 2014, la Biennale de Dakar, après à, l'Espagne, et dans une, exposition en galerie et, dans les foires, de, les foires de, de et Arco et les autres qu'il y a beaucoup dans ce temps. Et on a demandé la donation de Paul là, et après à la Colombie, à où on a fait une autre édition et on a demandé pour beaucoup de, donations de pots et nous avons une grande collection que, j'espère que sera plus grande ici avec la donation des jeunes d'ici de Saint-Louis, de les spécialement. Alors, mes téléspectateurs, retour sur ce plateau euh, d'artistique. J'espère que vous avez apprécié euh, ces belles œuvres, ces belles réalisations euh, de ces différents peintres, hein, aussi bien euh, les autres artistes peintres invités. Alors, euh, toujours dans ce festival euh, Métisson, euh, nous avons également eu droit à la prestation, une excellente prestation et eh bien, de Cher Niguelo. Alors, Cher Nigelot qui nous a gratifié donc de cette belle prestation. On peut également apprécier dans ce concert il, cette belle symbiose de musicalité avec les musiciens espagnols invités dans le cadre de ce festival qui nous ont rejoint sur scène. Alors, euh, on vous laisse en compagnie de Cherlo. On regarde. demi tey ji mu doon dëkk ñi ndóol yéen ñi comme ñi dof ci bel di met de sonn na di ngeen wàllu met mi di ngeen wàllu wàllu met mi di ngeen wàllu wàllu met mi di ngeen met utana C'est euh, hier à Dakar. On a joué euh, ensemble. Et euh, je crois, que je vais les inviter aussi, le bassiste et le guitariste, pour quelque chose comme deux morceaux. Donc cette fusion est très importante pour moi à l'heure actuelle, pour la musique en général. Donc automatiquement, ça, ça change de couleur aussi. C'est tout à fait naturel. Parce qu'ils apportent aussi leur touche par rapport à ce qu'ils entendent, qu'il Son nom l'indique, le, mot métisson déjà l'indique. Et donc tout a été, cette musique est métissée. Quoi. Donc euh, il y a, dans ce monde, euh, il n'y a que le métissage aujourd'hui qui, qui, pousse, qui grandit. Que ce soit dans la musique, n'importe où, même le football et tout, les gens sont de nationalités différentes maintenant. Mais moi, heureusement, j'ai compris tôt. Moi, j'ai commencé ce métissage très tôt. Depuis Dorondem, que j'ai apporté une variété. Et depuis lors, je suis dans, toujours cette, dans cette même lignée. Oui, mais Chirlo fait sa carrière, il continue sa carrière. Euh, euh, il prie Dieu, tant qu'il est en bonne santé, il va toujours exercer. Aujourd'hui, je suis à, ma 44e année de, musique. J'ai commencé en 75. Donc c'est pas. Mais on a toujours, des projets infinissables. Cet album a, eu une consécration du prix Womex. C'était la 15e euh, édition. Euh, voilà, comme, vous, vous le dites, euh, ça donne plus d'ouverture parce que le Womex, c'est le, World Music Exposition. Donc c'est l'exposition de la musique mondiale. Donc ça te donne encore beaucoup plus euh, d'opportunités, beaucoup plus euh, d'ouverture. Qu'ils soient vraiment des pratiquants, pratiquer des heures par jour avec leurs instruments Ne pas trop se fier avec ces problèmes de technologie. Ça peut, la technologie peut apporter quelque chose au niveau son. Par exemple, mais si tu veux dégager une musique, il faut que tu joues. Si tu es batteur, tu dois t'appliquer, bassiste, guitariste, claviste, tout ce qui s'ensuit. Mais si tu veux tout programmer, comme vous venez de le dire, avec la facilité, je ne pense pas que tu vas faire euh, long chemin. Amis téléspectateurs, je rappelle que vous suivez toujours votre émission artistique, euh, toute nouvelle émission euh, sur la RTS2, tout premier numéro. Alors j'espère que vous avez apprécié également cette belle prestation et eh bien, de Cherlo, toujours égal à lui-même. Alors, le Festival Métisson, ce n'est pas seulement euh, des groupes sénégalais, je le disais tantôt, c'est toute une symbiose, n'est-ce pas, musicale et artistique. Et justement, nous avons eu droit à la prestation et eh bien, du groupe Spanish Fusion Band, un groupe qui nous vient d'Espagne et donc constitué euh, d'excellents instrumentistes hein, qui sont réunis spécialement pour ce festival Métisson. Alors, euh, ils nous ont également gratifié d'une très belle prestation aux côtés de la danseuse euh, donc Yimka, c'est ça Yimka. voilà, que nous aurons l'occasion de recevoir également tout à l'heure sur ce plateau. d'artistique. alors, nous sommes en compagnie de, de Nico Salas, c'est le manager, n'est-ce pas euh, de ce groupe euh, Spanish euh, Fusion Band. Nous avons également Thomas Cito, donc chanteur, mais également excellent danseur, parce que je l'ai vu danser sur, la musique de, de, et c'était fabuleux. Hein. Alors, donc, je me tourne vers Nico Salas. Peut-être nous parler un peu de ce groupe que vous, avez monté, donc Spanish Fusion Band. Si je eh, recibo la, la de l'organisation de Métisons para eh, formar una banda que viniera a Sénégal al festival con la idea de fusionar la música española con la música de Senegal. Entonces yo considero que no puedo traer a una banda ya formada porque sería solo mezclar o fusionar un solo estilo musical. Entonces lo que busco es cuatro bandas que hacen estilos diferentes y cojo al líder de cada banda, artistas de primer nivel en, España y que eh, tienen la capacidad además de sa propre propia música, tienen la capacité para fusionner con otras musiques. Il a reçu la, pétition, la demande du festival, euh, des organisateurs du festival euh, Métisson de, monter un groupe euh, qui soit capable pour le festival de fusionner avec des, avec des musiciens sénégalais. donc il a, il a considéré que, pour remplir un peu cette, mission qu'on lui avait, euh, qu'on lui avait confiée, euh, qu'il ne devait pas faire venir un seul groupe d'Espagne, mais plutôt sélectionner, identifier euh, des leaders de groupes en Espagne, qui ont chacun leur propre groupe et leur propre style musical, pour qu'ils soient d'abord capables de fusionner entre eux, puis après fusionner avec les musiciens sénégalais. ¿Es que ha sido fácil justamente para reunir a euh, todos estos musiciens-là euh, par rapport à no, no, ha sido fácil porque cada uno tiene sus propios compromisos profesionales, trabajan por todo el territorio nacional y era difícil que eh, estas fechas ellos estuvieran libres. De hecho, algunos han tenido que dejar algunos trabajos allí para estar aquí. Eh, han sido seis meses de trabajo, de negociación, de búsqueda hasta encontrar estos cuatro que yo consideraba que eran los que tenían que estar aquí. Non, ça n'a pas été facile. Ils ont tous des, compromis, ils, ont tous, euh, euh, ils travaillent tous en Espagne, ce sont tous des artistes très demandés. Et donc, il, a, fallu euh, les trouver, il a fallu, certains ont renoncé même à, des, à des projets pour venir ici au, Sénégal. Et ça a été énormément de travail que, de les réunir, mais aussi de les, faire, de les faire travailler pour qu'ils viennent ici. Alors es c'est quoi l'orientation musicale euh, de Spanish Fusion Band euh, ¿C'est el flamenco? ¿C'est euh, quoi La Spanish Fusion Band, eh, como su propio nombre indica, Fusion Band, es, una, es un compendio de varios estilos musicales. Está el flamenco, está el funk, está el rock y está una especie de, de, soul eh, flamenco que es eh, Gautama del campo, que es el saxo. Mais no, un seul style musical, sont varios styles musicales, mais tous ont une raíz flamenca. Non, ce n'est pas qu'une seule, euh, euh, ce n'est pas que le flamenco, même si, même si toutes, euh, toutes leurs influences musicales des quatre musiciens ont une racine flamenca, mais il, y a, il y a du funk, il y a du rock, il y a du flamenco. Donc on peut dire que Euh, Spanish euh, Fusion Band épouse parfaitement euh, l'esprit du Festival Métisson. Totalmente, totalmente. Además es una banda que se ha creado exclusivamente para este festival y eh, en principio no va a reunirse nunca más, solo para esto. Totalement, c'est un groupe qui s'est créé exclusivement euh, pour le festival Métisson et, qui ne va plus jouer ensemble. Ils se sont créés et après tous les artistes reprendront leur, euh, parcours individuel. Donc c'est une création spécifique pour Métisson. Oui, parce que chacun d'entre eux a son propre projet professionnel de alto nivel, entonces no se puede juntar. Chacun d'entre eux a son propre projet individuel et ils ne peuvent pas jouer tout le temps ensemble. Alors, nous allons à présent parler euh, d'une autre fusion euh, qui donc a lieu sur scène. <laughs> Il s'agit donc de la fusion entre euh, Spanish Fusion Band, Cherlo, Spanish Fusion Band, mais également l'Orchestre Baobab. Peut-être que Thomas peut nous en parler un peu ou, ou, Nico. Eh, Les deux fusions ont fusiones son, tienen sus partes comunes, pero tienen sus diferencias básicas. Con la orquesta Baobab ha sido algo más fácil de realizar porque la, base de la música de la orquesta Baobab es el son cubano, que es una música que en España sí es muy conocida. Entonces, eh, los músicos, y además tiene connotaciones muy parecidas con el flamenco. Entonces, es una fusión, digamos, más natural y más fácil de hacer para los músicos. Solo no, con un día solo de ensayos hemos conseguido esa, esa fusión. Con Shake Love ha sido un poco más difícil porque es una música más, digamos, africana, más profunda, menos conocida fuera de, eh, África, en, España, pero con dos días de ensayos y de, de comunicación por medio de la música, pues hemos conseguido no solamente fusionar la música, sino fusionar en cierto modo las, las dos culturas y las dos personalidades. Hemos fusionado la música, pero nos hemos hecho Les deux logiques, la fusion avec les deux groupes euh, a été, un peu différente. Celle avec l'orchestre Baobab a été plus facile euh, parce que la base musicale de l'orchestre Baobab, c'est le, son cubain. Et le, son cubain euh, est très populaire, en Espagne. Et les, artistes invités dans le cadre du Spanish Fusion Band le, dominaient, déjà. Celle avec Cherlo a, a été plus difficile et a, nécessité un peu plus de travail, deux jours de répétition, mais aussi l'écoute de disques, euh, hein, l'écoute de la musique de Sherlock où les musiciens ont un peu travaillé. Euh, en, Espagne euh, dessus parce que sa racine est plus profondément africaine et, était moins connue par, euh, par, les, par les musiciens euh, espagnols qui sont venus. Euh, et au-delà de, du, travail et de, ce qu'ils ont fait ensemble, ce que, ce que dit Nico, c'est qu'il y a eu aussi une fusion qui a été la rencontre et qui sont devenus amis pendant, pendant ces quelques jours où ils ont été ensemble à Dakar, puis maintenant à Saint-Louis. Voilà donc une question qui est adressée peut-être à, à Tomasito, qui est chanteur mais également danseur. Alors, Thomas toi on t'a vu danser sur la musique de, de, Sherlock. Ça veut dire que quelque part, euh, il y a ce ressenti véritable, euh, n'est-ce pas, de cette fusion-là Buenas, hola, ante todo. Pues, pues sí, la verdad que es como, bueno, como se transmite la música, ¿no? Chek eh, Check es, es, espiritual para mí, entonces, bueno, es, la música que hace él, pues, pues, pues, bueno, a mí, a mí algo que no me puedo aguantar y entonces me inspira, ¿sabes?, a salir a bailar con su música y. y la verdad que, me siento muy gusto y muy libre cuando, cuando bailo con su música y cuando le tengo que hacer unas palmas a ese ritmo. Entonces, mm, como que me pongo espiritual y en trance, ¿no? porque el flamenco también es así y con Check pues, hemos conseguido eso, ¿no? y, la amistad y, sobre todo musicalmente, ¿no? la comunicación. Il dit que c'est une grande rencontre parce que la, musique de, de, Sherlock, euh, c'est quelque chose de spirituel qui lui, qui lui parle émotionnellement euh, de, de, manière, euh, de manière très forte. Donc il se sent très libre de monter sur scène, sur scène avec lui et de, et de danser parce que, parce que ça, vient de quelque chose d'intérieur et dans lequel il se, sent, il se sent simplement bien. Voilà, donc, amis téléspectateurs, nous allons euh, retrouver la scène du Métisson, retrouver justement le groupe Spanish euh, euh, Fusion Band. On regarde. Thank you. Voilà bah donc, amis téléspectateurs, euh, toujours dans cette émission euh, artistique. Alors, euh, c'est véritablement la fusion, c'est véritablement une symbiose de, musicalité, vous l'aurez certainement compris, à travers tous ces groupes qui donc ont eu à évoluer sur cette scène du festival. Alors, le flamenco, je ne sais pas si vous connaissez, eh bien, Yinka, notre invitée, donc ici présente, danseuse flamenco espagnole d'origine ghanéenne, euh, nous a ébloui à travers, il faut le dire, hein, c'est pas de danse, euh, soutenu par une belle orchestration. Bonjour euh, Inka. Bonjour. Alors un plaisir euh, de vous accueillir au Sénégal déjà. Merci beaucoup. ici à Saint-Louis, hein, ville, cette belle ville de Saint-Louis. C'est la première fois l'Afrique, j'imagine, non non, c'est pas ma première fois en Afrique. je suis née à Londres, mais ma mère, elle est du Ghana. D'accord. J'ai visité, au fait, j'ai travaillé bon, dans, un, dans un festival aussi au Ghana. D'accord. J'étais cette année au Nigeria aussi, en février. Ok. Le Sénégal, c'est la première fois. C'est la première fois et c'est une grande honneur. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé euh, vers cette, euh, cette forme d'art, la danse, le flamenco Donc, je pense que la danse, je l'ai toujours eue dans mon corps. Euh, quand j'étais petite, j'habitais au Nicaragua. Ok. Et mes parents, ils me disent, j'avais vers 4 ans, qu'on est allé voir des, un, Carnaval, à Bluefields, qui est un endroit où beaucoup de la population noire elle habite. Mhm. Et apparemment, quand je suis rentrée à la maison, j'ai fait chaque danse. Ah ouais J'ai fait genre, eux, ils ont fait ça, eux, ils ont fait ça. Et depuis ce jour-là, ils m'ont mis dans des cours de danse. Mais le flamenco, je ne l'ai pas découvert jusqu'à ce que j'avais 21 ans, quoi, ce qui est très tard quand même, quand j'étais à l'université. Et c'était vraiment en faisant mes premiers cours que j'ai... C'était mon corps. Je pense que c'est toujours pour moi à travers du corps que je comprends les choses. D'accord. C'est le corps qui en demandait. Exactement. C'est pas tellement que je l'ai vu un jour et j'ai dit ah je veux devenir ça, pas du tout. C'est ça a été un voyage de découverte vraiment dès mon premier cours, de savoir que je voulais en savoir plus, qu'il y avait besoin de quitter l'Angleterre, quitter ma famille, quitter même euh, mon éducation. J'ai étudié l'histoire de l'art mhm. et, et, rentrer dans un autre monde pour, euh, pour en connaître plus qui aujourd'hui me permet d'être ici. Quoi. Euh. Alors, qui dit danse flamenco, dit musique flamenco, vous avez intégré des groupes. Euh, comment ça s'est passé euh, Des groupes musicaux flamenco donc, disons, comme danseuse, on a l'habitude de travailler avec beaucoup de différents musiciens. D'accord. j'ai eu la chance, donc hier j'étais avec Tino Bandersman et Vicente Gelo. D'accord. avec qui j'ai travaillé déjà en Espagne. mais moi-même aussi, je fais beaucoup d'autres projets. Et donc, parfois, je travaille avec des musiciens. Euh, je n'ai pas de guitare électronique. Je viens juste de faire un spectacle en Suède avec un, un violoncelliste. Euh, c'est assez, euh, c'est assez grand, disons, mais le flamenco, c'est un peu comme le jazz, qu'on s'adapte. On peut parfois, dans les, dans les cadres plus traditionnels, tu peux arriver et tu connais le guitariste ou le, le chanteur pour la première fois. D'accord. mais comme il y a des codes qu'on comprend, on a la possibilité de quand même créer quelque chose ensemble, même si on ne s'est jamais connu. <laughs> Alors justement, euh, c'est quoi la particularité des danses par rapport aux autres formes de danse Je pense qu'en général, la danse, c'est difficile, <laughs> c'est clair. Le flamenco est extrêmement technique. C'est intéressant parce que d'un côté, si tu rentres dans la technique, ça te permet d'arriver à une espèce de liberté absolue. Euh, je pense que Thomas Sito, peut-être, il parlait de, cette façon de vraiment être qui on est. Je pense que pour moi, c'est ça aussi. Tu vas jamais voir deux personnes danser le flamenco de la même façon. Mais en même temps, ça. Tu as vraiment besoin de travailler mhm. non seulement la technique physique, disons les pieds et le corps, mhm. mais aussi euh, connaître le chant, connaître les différents styles. Il y a beaucoup de styles. C'est pas le flamenco, c'est genre dans le flamenco. Hier, par exemple, j'ai dansé une alegría. J'ai dansé aussi une solea, il y a tarantos, tientos, um, Et chaque palo, ça s'appelle, chaque style a tout un genre répertoire de chants, de mélodies, de rythmes différents. Alors, est-ce à dire qu'il faut avoir des connaissances musicales pour pouvoir danser la danse flamenco je pense que dans un certain sens, oui, c'est intéressant parce que moi, j'aurais jamais, jamais, jamais dit que j'étais musicienne, mais à la fin, on fait de la musique quand même avec nos, avec nos pieds, mais aussi le rythme, il est présent dans le corps. Quoi. Il faut vraiment comprendre euh, oui, les différents rythmes et les différents styles. Mhm. Et, et Tomasito, c'est un maître. disons, son compas, ah son rythme est incroyable. Mhm. Alors, est-ce que cette danse est réservée à une certaine élite euh, euh, Parce que quand on parle de jazz, par exemple, on dit que c'est une musique d'élite. Est-ce que c'est comparable à la, danse flamenco C'est intéressant parce que je pense que le flamenco est spécial dans ce sens, parce que vraiment, c'est né dans des quartiers les plus populaires. Ok. tout, comme le jazz, hein Exactement, exactement. Et ce, je ne sais pas comment, mais le flamenco a pu maintenir ça, même si, par exemple, il y a de plus en plus de personnes comme moi, mhm. qui vraiment, c'est vrai que moi, j'ai passé beaucoup de mon temps à étudier, et ça n'était pas facile. J'ai dû euh, sacrifier d'autres choses pour pouvoir me permettre de prendre des cours et tout ça, mhm. et un peu dédier euh, mon temps à apprendre. Mais même les plus grands musiciens, ils sont, ils sont capables d'exister dans des différentes sphères. Donc, un côté, ils sont dans, le, dans leur barrio local, qui peut être très humide un jour, et le lendemain, ils sont dans un grand théâtre mais ils sont toujours en train de fréquenter ces espaces, donc ils peuvent aller dans les, espèces de jams, les, endroits un peu plus euh, mhm. pas élite du tout, quoi. D'accord. Mais peut-être élite, oui, au niveau que ça, ça, pour être professionnel, il faut quand même mhm. se dédier. Dans ce sens-là, c'est pas quelque chose qu'on peut dire un jour à l'autre. Ah, je vais faire ça. Ça, mhm. ça, ça demande quand même euh, une une passion, une concentration, une dédication. Voilà. Alors rappelez que nous sommes toujours en compagnie de Yinka, danseuse flamenco, euh, dans cette émission artistique. Alors est-ce que euh, justement le flamenco en tant que musique, en tant que danse, aujourd'hui attire euh, du public, une foule, du monde Oui, je pense qu'en fait on est dans un moment très intéressant pour le flamenco parce qu'il, je pense qu'il est en train d'appeler plus en plus de gens de différentes parties du monde. Donc, euh, je ne sais pas si vous savez, par exemple, le Japon, c'est le deuxième endroit le plus important pour ah le flamenco. Quand même. Il y a beaucoup d'affection là. Euh, et de plus en plus, parce que, bon, historiquement, les gens, ils imaginent que le flamenco, c'est quelque chose que seulement les Espagnols, ils font. Mais je pense que dans un sens, euh, et aujourd'hui on va, mettre un film, Gurumbe Canciones de tu Memoria Negra, qui parle un peu de la présence noire en Espagne et l'influence qu'elle a eue dans le flamenco, parce que le flamenco, c'est quelque chose qui est né au sud de, de l'Espagne, mais c'est grâce à des différentes influences des peuples qui sont là, dont euh, la présence noire. Et je sens que maintenant, comme ça, ça devient quelque chose dont les gens, ils en parlent, il y a beaucoup plus de gens, par exemple, j'étais aux États-Unis, et je vois qu'il y a une population de gens qui sont très intéressés dans ça, parce que ça, ça, le, ça le ramène dans une histoire de la diaspora, quoi, dans un sens. Alors on peut dire que le flamenco est une musique noire Je pense qu'il y a une grande partie euh, de base. Bien sûr, elle est devenue quelque chose d'autre, disons, et les grands, euh, euh, comment ça se dirait, les, grands artistes qu'on connaît sont plutôt des gitans. C'est la culture qui ont qui ont vraiment créé le flamenco qu'on connaît aujourd'hui. Mais pour moi, c'est intéressant. Par exemple, je vais dans des quartiers aujourd'hui où il y a une grande population gitane. Euh, je ne sais pas en français s'ils disent Roma. Je dis gitan parce qu'en Espagne, ça se dit euh, gitano. Euh, et ils, habitent à côté des Sénégalais. Même aujourd'hui, ils habitent à côté ah des gens qui viennent juste d'émigrer en, Espagne. Et c'était ça il y a 300 ans. Quoi. Donc il y a une grande question autour. Et il y a beaucoup de gestes, il y a beaucoup de choses, même la façon de créer, la façon de communiquer la musique avec les musiciens, de faire des, des, des coupes, euh, la possibilité dans une structure de s'exprimer avec l'improvisation. Je pense que ce sont toutes des choses très africaines comme proposition quand on pense au ballet qui est quelque chose de mhm. carrément différent et disons européen dans ce sens-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très africain dans, mhm. dans le flamenco, oui. Alors est-ce que le public africain en général adhère à ce genre de, de, de projet-là Dans mon expérience, et j'ai seulement vécu ça au Ghana, au Nigeria et maintenant au Sénégal, je sens que les gens, ils, voient ça et ils trouvent ça très intéressant, quoi. Et peut-être parce que ça, ça rappelle et ça appelle quelque chose qui est qui est déjà présent. Quoi. Donc euh, je sens que oui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de flamenco ici, mais je sens que quand les gens ils le voient, ça le, ça leur rappelle. Quoi. Mhm. Alors donc côté tournée, il vous arrive de bouger beaucoup à travers le monde euh, pour... Euh, oui, alors moi je dirais que ma carrière, elle est en train de commencer. quoi. J'ai commencé tard dans, le, dans la danse, dans le flamenco. Il y a très peu de, danseuses noires. Je ne suis pas du tout normal dans ce sens-là. Donc, je suis en train de créer un espace pour moi. Alors, justement, comment est-ce que le public euh, vous voit, vous, en tant que noir, dansant euh, le, flamenco Voilà. Donc, en Espagne, c'est intéressant parce que euh, nous sommes une population assez petite. Donc, les gens, ils, ils attendent jamais voir une personne comme moi danser le flamenco, cette chose qui est si emblématique, non, du pays dans un sens. mais en même temps, ce qui est beau, euh, c'est que ça rappelle un peu aux gens qu'au fait, il y a quelque chose d'autre qui se passe ici. Donc peut-être qu'à travers de, le voir dans un autre corps, ça, ça permet de repenser cette idée de d'où ça pourrait venir, non ou, de voir qu'au fait, ça, déjà, il y a déjà eu un échange euh, culturel. Donc je pense en général, les gens, ils sont très positifs même si au début, ils sont un peu genre, appréhensifs peut-être en mhm. pensant qu'est-ce qu'elle va faire celle-là, comme elle n'est pas espagnole. Quoi. Mhm. Alors, euh, Yimka, nous allons euh, aller euh, retourner sur la scène. Hein. et donc, euh, vous regardez Presté. Amis téléspectateurs, on regarde Yimka. y a dibujar esta rosa que estoy solito y no puedo que dibujarla ay tan hermosa que estoy solito y no puedo que dibujarla ay tan hermosa y a la botica amaré no vayas sola, el boticario niño, gata pistola, gata pistola, mare, gata pistola, la botica niño, no vayas sola, beban los colegiales, hay hospitales ni todo el de los colegiales. Ay, si al punto de la oración, algunos entran hay otros salen. Ay, si al punto de la oración, algunos entran hay otros salen. fuente nueva sabía arborotado con y se emborracha. La calle nueva y se había emborrachado porque Pinini, porque Pinini se emborrachó. Olé. está tan descolorida. Y quien quita y torcó. Está tan descolorida. Ay, te flamenca que bien lo sabe, tú eres el remedio pa' todos mis males, pa' todos mis males míos, ay pa' con mis males, que camelo gitana, ay que bien lo sabe, que bien lo sabe. Seven. temblar, dice que van a temblar la tablita prima del soberano, oh, oh, oh, porque se van a casar, ay la guana come robado, alza y toma, pa' que te la coma, te traigo mi niña, si tú una partida, hay que la venda un gitanillo de caí, del barrio La viña, y eso. quitan bailando los dolores a la molinera. Ay, si no se le quitan bailando, me la llevo esta noche a la Merci beaucoup. téléspectateurs, c'est sur cette belle prestation de Yinka, danseuse flamenco, euh, que s'achève donc euh, cette émission euh, artistique, le tout premier numéro, réalisé donc ici à Saint-Louis du Sénégal, Saint-Louis-la-Belle, Saint-Louis-Ville culturelle. nous remercions toute l'équipe technique qui a eu à réaliser de main de maître, il faut le dire, cette émission artistique. nous remercions Véro qui nous a accueillis dans ce merveilleux endroit qui s'appelle Kurdada, là au bord du fleuve. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à vous, amis téléspectateurs de la RTS2, toujours plus proche de vous. Rendez-vous est pris euh, pour un prochain numéro très bientôt. À bientôt.